salaamaaleykum voilà di len nuyu yeen ñep euh, seen tour ak seen euh di len euh, dalal suñu siège bi euh di jiital ci nuyo bi wa mouvement national des artisans patriotes nga xamné Babacar Valor moko jité euh di nuyu représentants, organisations, professionnelles du futur teew Grum, euh, di au nom du président du parti Ousmane Sonko si un soutien par rapport à la liste de Pastef les patriotes euh, di ko euh, pour man soutien bo soutien bu logique soutien cohérent soutien bu sincère soutien bu crédible des soutien bon euh, Madame daf ñu renforcer suñu conviction ni inshallah, su avec euh, l'aide de tous les sénégalais élection yi gagnée le président de la république xam ak président du parti motax euh, accordé au sein du parti PASTIEF une place particulière aux artisans une place particulière aux artisans au niveau des mouvements des cadres d'abord dafa de une commission qui a ne plus plus de lu jëm ci artisanat et frère Babacar Varon, m'a fait, depuis plusieurs années le commissariat scientifique su weesoo loolu yemuñ ci nous créer un mouvement national des artisans patriotes Nous avons ne huit mouvements nationaux yu PASTEF reconnaître et nous présent sur tout le territoire national et dans la diaspora voilà yemuñ ci loolu tamit ci élection législative qui ci mouvement ji nous quatre responsables tableaux liste nationale donc quatre responsables tableaux liste nationale il te yemuñ ci loolu parce que on a ci liste au niveau du département di également des artisans donc liste mo ngi présenter, ne présenté dina représenter inshallah les Sénégalais yi voté donc sur le plan des politiques publiques référentiel 2050, euh, b agenda national de transformation le président Bassirou Diomaye Faye présente le 14 octobre il y a une importante place qui est réservée également à l'artisanat et nous le le normal parce que avons une souveraineté il faut qu'on fasse appel d'abord à notre on compte sur nos propres forces et sur nos propres forces principalement une de nos forces repose sur l'artisanat parce que Sénégal nous avons ba nga exporter artisans yi partout dans le monde donc en Afrique et ailleurs di fa daan seen doole donc yebul Sénégal donc l'artisanat sénégalais occupe en tout cas une place particulière dans l'économie sénégalaise aussi bien au Sénégal que dans la diaspora donc euh, politique bi nag mooy souveraineté te souveraineté d'abord c'est l'artisanat donc le président Bassir Diomaye Faye ak le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko en tout cas accordé une place particulière pour promouvoir l'artisanat local par rapport au mobilier par rapport au sexe textile par rapport au euh, au cuir cuir zépo, et il y a un secteur qui est ko voilà donc euh, Inch'Allah, Inch'Allah, loolu yaakaar naa ni war na refléter sur prochaine loi de finances le budget 2025. donc euh, Loldal, euh, la loi wax euh, encourager di féliciter si pour nous porter le message au niveau du Sénégal et dans la diaspora à tous vos camarades à tous vos frères et sœurs artisans pour nous comprendre le projet Nous bëgg l'économie sénégalaise sur le plan endogène Je sur le plan endogène moi, vraiment artisan parce que il euh, yem ci matière première exporter il faut une transformation La transformation la première étape c'est l'artisanat industrie donc nous, nous, législative Nous, du dara euh, président de la république projet euh, présenté à l'horizon 2050, plan d'action mu présenté en 2025 et ak les moyens législatifs les moyens financiers pour mu mettre en œuvre parce que sénégalais nous avons décidé le peuple sénégalais au-delà de Pastef au-delà de ses alliés c'est le peuple sénégalais les artisans c'est le peuple sénégalais composant du peuple sénégalais nous ont décidé souverainement le 24 mars au premier tour donc au premier tour tu dois lui donner tous les moyens pour réaliser le programme pour lequel il nga donc il y a cohérence une logique et en tout cas euh, au niveau du parti PASTEF à travers le MONAP nous nous restons attentifs parce qu'il y a des problèmes dans le secteur, il y a des doléances, il y a des revendications. En tout cas, à toutes ces, en tout cas, doléances, à tous ces problèmes, pour Mounko une solution à travers le gouvernement, Inch'Allah. Donc, on, est, on reste à votre écoute. Euh, à travers le MONAP, puis y a ils font un travail également excellent un travail extraordinaire dans ce domaine là parce que su y dañuy yem ci politique ni ne ko folklore euh, daf Mumbai mais nous dañ ci bolé production scientifique di ci bolé di daf ay réflexion di analyse di alerter aussi donc lool dafa am solo donc vous avez d'excellents représentants au sein du parti man leen ko témoigner en tant que secrétaire général et vous pouvez compter sur eux et vous pouvez compter également sur tout le parti le bureau politique et le président du parti Ousmane Sonko donc lool la bëggone wax euh, pour euh, tëj di leen gërëm di leen vraiment de les féliciter de les encourager et Inch'Allah, euh, le 17 novembre 2024 euh, on se fêtera tous la victoire inshallah